Ok, mon nom est Ibrahim Amidou, a.k.a. DJ May Chinga, Tarada Chinga, Yaro May Darza, May Boza, May Kamara Chicago, Kume Adana goma, Watarana, May Bada Chicago. Hey, Rondi, I see Hindi là. <laughs> Vous, vous rappelez certainement de DJ May Chinga. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Aujourd'hui sur cette émission, nous allons parler aussi euh, de tout ce qu'il fait comme euh, activité en profondeur et nous allons détailler, comme on dit, les choses. Commençons par Affairage 227, qui est cette page qui cartonne. Affairage 227. Parlons un peu de ce que tu fais sur cette page. Affaire H227, à la base, c'est une émission que j'ai commencé, comme je, l'ai dit hier. Donc, sur cette émission, euh, j'invite chaque semaine, c'est réellement un invité. On parle de l'invité, euh, de ses projets, en tout cas de sa carrière, et de tout ce qu'il fait et de tout ce qui se raconte autour réellement de l'invité euh, dans la ville, au Niger et un peu partout. Donc, euh, ce n'est pas seulement euh, un artiste. Ça peut être un artiste, un blogueur ça peut être aussi un influenceur ou bien euh, quelqu'un qui fait réellement le buzz. Mhm. Donc c'est de ça qu'il s'agit à Ferrage 227. Aïssine c'est aussi nest pas, un de tes projets. Euh, bientôt, ça va sortir et je te vois déjà porter le t-shirt. Euh, Sindeda. Ah, Sindeda, à la base, c'est un truc que je prononce de trop. Voilà. Et je me suis dit, mais. c'est un concept. C'est un concept. Et à chaque fois, je me dis, mais tu peux faire un truc avec, tu peux réellement. Euh, avoir de l'argent avec ça. Mhm. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des t-shirts, faire de ça une marque mhm. Et je Et j'étais parti, j'ai fait quelques t-shirts que j'ai partagé sur ma page. Beaucoup m'ont vu, ils m'ont dit, tiens, combien je veux. J'ai eu à peu près 100 réactions. Donc je me suis dit que réellement, on peut faire euh, la chose. Donc voilà, j'ai déjà discuté avec quelqu'un. Euh, c'est en cours. Peut-être le projet va D'ici un mois, Inch'Allah, les t-shirts vont sortir. Aïsine et une autre marque aussi que je vais dévoiler en tout cas sur l'émission ce, matin. Bissiam Bonnego, tu vois. Papa, Bonnego, ça veut dire quoi ça veut dire que je suis de, <laughs> passage. Donc, euh, si en Côte d'Ivoire, il dit on s'en va là-bas, ici, Irgonda, Bissiam Bonnego. Tu vas voir, c'est écrit Bissiambo avec euh, un, un, monsieur qui est en train de marcher. Voilà. Et donc, euh, ça. va sortir aussi. Ça va sortir bientôt. Je voudrais aussi qu'on parle un peu du rap parce que tu as commencé par le rap. On se rappelle tous des années 2005-2006 où tu as commencé déjà à rapper. Ouais. Qu'est-ce que tu as enregistré comme son jusqu'ici hein Avec le groupe, on avait enregistré un son titré Mungawasa. Après, en tant que que artiste euh, en solo j'avais enregistré. Est-ce qu'on peut avoir un peu Mungawasa avant de parler un peu de ta euh, <laughs> Mungawasa, c'est dans les années 2000. Ça fait ouais. Mungawasa, un Niger, Mungawasa. J'ai oublié. C'est une chanson Ouais, on a repris ça. Ok. Euh, donc, j'ai réellement oublié le refrain, mais c'est un peu comme ça. Mais mon premier son en solo, c'est alto travail des enfants sadi il nyanga idir baba wa kai gadi wa kai ga ma zanka kai na gogoi goi kansi ibaira hakir ga bai zanka kai na man hagun da gabi goi imi dans la col, dans su samu nasu inchi imi dans la col, dans su samu nasu ilmi et là c'est ton le premier single que tu as enregistré en, carré solo, solo. Ah ouais, effectivement ok euh, après c'était un son qui disait alta la ganja voilà après j'ai enregistré quelques six sons Exode et pas mal de titres. Un album ou juste les sons Les euh, sons, mais j'avais voulu faire un album en 2008. Bon, comme l'animation a pris le dessus, j'ai abandonné, j'ai donné mes flots à quelques groupes qui, qui ont eu affaire à gagner le concours scène ouverte rap et un concours sur l'exode aussi, voilà, avec, euh, avec mes chansons. Donc, Super. Je, me dis que c'est bien. Donc, DJ si on résume, tu es animateur, tu es maître de cérémonie, tu es aussi euh, blogueur. Ah ouais. Nous sommes à la fin. Et qui dit dit que tu as aussi certainement beaucoup de choses que nous n'avons pas pu énumérer euh, pendant donc ce temps d'antenne. Alors si on t'accorde une minute, l'instant est solennel, c'est l'artiste s'exprime pour dire tout ce que tu as au fond de toi, au fond de tes entrailles, pour dire ce qui aussi m'a échappé. Quel serait ton mot, DJ Machinga euh, Le message c'est à l'endroit de toute la population nigérienne Primo, nous avons le droit de cultiver la paix. La paix, la paix, la cohésion sociale. Et nous avons aussi le droit réellement de consommer local. Aimons tout ce que nous produisons, que ce soit du mil, du sorgho, du riz, la culture, la musique, en tout cas nos artisans. On doit réellement consommer local. J'ai un message aussi à l'endroit de tous les jeunes aussi qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, réellement, ça a pris une force. Et nous pouvons réellement utiliser ces réseaux sociaux positivement et non négativement. Donc euh, nous pouvons réellement vendre aussi l'image de notre pays positivement à travers ces réseaux sociaux, euh, à l'endroit aussi de tous les abonnés, parce que nous savons aussi beaucoup de jeunes sont abonnés aux pages euh, à l'extérieur, euh, les étrangers, mais ils ne sont pas abonnés aux pages nigériennes. Abonnez-vous aux pages euh, de, chez vous, c'est important. Mon message, c'est un message de paix. Consommons ce que nous produisons. C'est important. Le message de l'artiste, de l'animateur, du blogueur est tout simplement clair et net. Et...